inspecteur chargé des affaires administratives et financières du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal, je vous nomme M. Baro Djouf. Papa Amadi Baro Djouf, de son nom exact. Alors, je dit pour vous comprendre na il est à woy de école ne taref bas pour réceptionner matériel fe na andoona yee ten ɗumum a fog ten no photocopieuse maak na andoona yee a tirage par milliers de feuilles no temps raɓu ka andoona yee daanaka ka jara presque deux millions alors nu nananga deux millions nu ande refe xaalis fa def o du ñaaxar o o xana jaɓa no papa amadou baro diouf a ref inspecteur maana ref ministère de l'éducation nationale a gérama ke na affaires affaire et financières. ta jogo yiif a andé aussi l'école c'est une continuité et que aussi agir pour la communauté kaga ka jogo ta tiida in ka na livre a fokatin xa photocopieuse a bokta livre daanaka a andona ye o nanga xayma xaalis te ref xaalis fo mayum fo mayum fo mayum ta tidina jagle in école Amady Baro c'est le sous-préfet de l'arrondissement de Niakhar monsieur l'IF inspecteur de la formation monsieur le chef CAD e. monsieur l'inspecteur Pape Amady Baro Diouf

fekkee bés bu mel ni bés bii ndax ak mbéy ba boo xam ne képp koo xam ne doomu Ñaxar nga teel a mënoo la ko boo ko defee war na la boo ko defee war na la eh, ñuy gërëm monsieur inspecteur Diouf mi nga xam ne. moo indi matériel bu am bi di ko jàppale école Amady Bara Diouf monsieur l'inspecteur ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ñu lay ñaanal yàlla ñu may na fan bu ànd ak te lépp loo xam ni yaa koy mébét di ko jëmale ci population bu Ñaaxar ak feneen yàlla jàppale la ci ba nga def ci loo xam ne lu weesu sa njort la ah di gërëm directeur bi ndax mérité na ko eh, directeur la boo xam ne directeur la ci directeur yi ndax ku bëgg développement la en dehors de l'enseignement mais ku bëgg eh, développement la di ci yëngu guddi ak bëccëg pour tout ce qui concerne la population de Niakhar parce que ñun Niakhar rek lañu am fépp vous ñu woo heure bu ñu mën a allah on va faire le déplacement parce que Niakhar lañu am moom lañu noye di ñaan yàlla ah eh, vraiment mu jëm kanam. simna kilifa ke andoona yee den ngotiyo men a seereer anda me ten moƴka waag waxtaan yaam wolof wole ko gan monsieur le préfet in xana mbasanam um waxtan ga fogole ndik in way ma nuun no déplacement ke na ngaro yo ma dido kene goɗgim no faley fe yaam ne même programme de toor ka la parole précision leng rek buguma ɓisiid teen o ndik wo xator bo no amadi baro kam ngi parrain fe oxe ke amadi baro anete Ya yaaga programme o jum i jokana njal koy yaam o kiin ana jega tigum bo jir so sagantin nda ando ke ana jega tigum ba wesa damtin faydik pare eh, xone tena école ne fo faap no xeke den fogu fa fayay te ne to letna doon ten o rogana wagno waranga no kenar koy bata geestoox ba gar a fiya ten keke fok i njokna njal nda xe jeg na tig ma fiya de i jokelo njal nda kene xana jok tele no njal yaam o kiin ana jega tig ba wesa dedin a voulu dire simplement que le donateur est l'homonyme du palais de cette école-là, Amadi Barou Donc lui, alors euh, le père à l'inspecteur, il partage le même père. Donc c'est un fils de Michel Ibrahim Diouf, ancien PCR de Nyanfak. Donc qui est le donateur du palais de l'école. Et au-delà de ça, au nom de toute la famille, euh, l'oncle Ousmane Diouf euh, remercie et formule des prières à l'endroit du donateur et demande à toute l'assistance de formuler également des prières pour que, en tout cas, cette mission qu'il porte dans, cette queue, dans son cœur pour moi. Donc voilà, tout simplement ce que l'oncle voulait partager avec vous. Et il vous remercie de vous voir. Donc il vous dit également que toute la famille du parrain, du donateur, Et tous les membres, n'est-ce pas, de la famille vous remercient et vous félicitent, n'est-ce pas, d'avoir. roog moƴu ina ngid magna paax no kon président koy im leya jokonjal a paax Diouf fale fene gon a fo ñal yasam o yaal oxe rabda nuun waaw bu ñu te tanil bopp Amadou Bara Diouf Amadou Bara Diouf ndeysaan ba Ibou mooy sa baay wooy Dioufé naa layoona Baye Isaaxa mooy sa baay Pape Amadou ey Amadou Diouf mooy sa baay Dioufam laya tanga doona mayo kooroxe xey nanga tanga ñëwa nangu bi a laya yabat na ka jege xoox ndeysaan oxe ni teewolo ka fi men baax boya ndako wan waaye a alaxira waaw Amady Bari Diouf xam ne nga seereer mi si ma seen koti ba mari seen Diouf sa mu roon tan jam nar ko fen du tamba fa yooy Diouf na layo na sem ci ko jogon do mbuur o koor fap man noona ko mala fo njeri roog o tewa noon kayaay Diouf a kinto ñoba sasay Ousmane Djiké ma ca na gayo Diouf o eee da seere Mbaye Ousmane Diouf Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Niaha, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Fatih Monsieur le chef CADEL de Niaha, Monsieur le chef de village de Niaha, Monsieur le représentant du président du Codec de Niaha, Monsieur l'inspecteur Amadi Pape Amadi Barodiouf, donateur ancien de ABD, Mesdames, Messieurs, chers parents, chers élèves, honorables invités, c'est avec plaisir et encore comme un cœur comblé que je prends la parole à l'occasion de cette journée de don de matériel scolaire à notre chère école Amadi Diouf de Niaha. Ce sont des moments de retrouvailles, de communion certes, mais cette journée traduit en actes des moments durant lesquels élèves ici présents, enseignants, parents d'élèves et autres vont se rappeler à jamais l'œuvre de leur fils, petit fils parents, encadreurs, partenaires et autres. Je veux dire Pape Amadi Baro Diouf. À Amadi Baro donateur et parrain de la journée. Au-delà de marquer à nouveau votre nom sur la monographie de notre chère école, vous êtes un exemple pour nous et un modèle de réussite que nous présentons à nos élèves et aux générations futures. Merci pour l'œuvre gigantesque qui vient à son heure. L'acquisition d'une photocopieuse de dernière génération permettra à tous les acteurs de cette école de répondre aux urgences de l'heure. Merci infiniment des efforts consentis pour l'obtention de ce matériel. Votre nom, vos œuvres seront à jamais sur les annales de l'histoire de cette école. Nous souhaitons à vous, vos proches, vos parents, plein succès dans le reste de votre parcours. Chers parents d'élèves, l'école Amadi Barodiouf est en projet depuis 2014, date à laquelle j'ai pris service nous avions l'ambition le de et toute l'équipe pédagogique de marquer notre empreinte le temps que nous y passerons. Comme Natouba, euh, Monsieur le préfet de Niaha, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Fatik, euh, je dois rappeler que c'est un ami, c'est un collègue inspecteur c'est quelqu'un vraiment à qui je, je vraiment un, respect. Parce qu'il m'a toujours soutenu dans ce que je fais, il a toujours prié pour moi. On se connaît dans le cadre de l'exercice de nos missions et je pense qu'on entretient de très bonnes relations. Malgré le fait que je suis chargé des affaires administratives, donc je suis chargé pratiquement de l'audit de toutes les structures au niveau du ministère de l'Éducation nationale. J'ai été dans son lieu, mais ça n'a pas empêché de tisser vraiment de très bonnes relations. Et je voudrais en profiter également pour saluer l'inspecteur d'académie, donc M. Cher Yabadio. Euh, J'étais passé chez lui ce matin et je suis sûr que je voudrais confirmer donc qu'il a participé à ce lot donc que euh, je suis en train donc de mettre à votre disposition. Euh, monsieur le chef du village de Niahar, monsieur le chef donc de l'ADL, monsieur le président de l'association des parents d'élèves. Euh, je pense que, je ne sais pas, si c'est le président également du comité de gestion, je ne sais pas si. Euh, Monsieur Simonsen, Marasim Nadapa, vraiment que Fiona Amosa. Euh, je voudrais axer mon intervention sur quatre points. Chers invités, et également remercier tous mes parents qui sont là et toute la délégation qui m'accompagne, notamment tous les membres du mouvement que je suis en train de mettre en œuvre et qui contribuent vraiment au développement de, notre localité. Donc je reviendrai sur ça. Donc je vais vraiment remercier à nous une fois nos contributions que nous avons Donc le premier point, c'est surtout par rapport à mes études. Je pense qu'ils l'ont rappelé, c'est à que j'ai fait mes premiers pas. Et donc, je peux dire que c'est Nyahar qui m'a tout donné. C'est Nyahar qui m'a tout donné. C'est là où j'ai fait le CI, le CP, le C1, le c 2 le CM1 et le CM2. Donc, euh, je voudrais vraiment dire que le retour que je suis en train de faire aujourd'hui participe tout simplement à, à notre volonté de pouvoir contribuer à maintenir cette école dans une station d'excellence. Le deuxième point, c'est par rapport au père. Je pense que tout le monde l'a rappelé. L'école porte le nom de Amadi Baridjouf, qui est le petit frère de mon père, même père donc même mère, et donc qui est décédé quatre mois avant ma naissance. Père à son nom. Donc je voudrais dire tout simplement que la confiance que Niahar avait envers cet homme. C'est cette confiance-là que Niahar a pour moi. Et je pense que c'est mon devoir de rendre pratiquement tout ce qu'il devait faire pour l'école. Je pense que c'est mon devoir de le faire. Et je vais continuer sur cette œuvre. C'est quelqu'un qui a été vraiment très respecté au niveau de Niahar. Et c'est ce qui fait que mon statut, pratiquement, me pousse à aller vers tout ce qu'il a fait pour Niahar et tout ce qu'il voulait faire pour Nyahar Donc c'est pour dire tout simplement que je vais continuer à œuvrer pour pratiquement son ambition pour Niahar et également pour l'école Baro Diouf. Le troisième point, pour ne pas être vraiment trop long, c'est par rapport au mouvement. Je pense qu'au niveau de Niara, il y a plusieurs autorités qui sont des autorités politiques. Moi, personne ne m'a jamais connu comme politicien. Et je pense que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas aller dans le sens de la politique, mais c'est aller dans le sens vraiment pour le développement local. Et le mouvement qui est en train d'être mis en place, c'est un mouvement de développement local, c'est un mouvement citoyen qui va œuvrer pour le développement local. Et c'est des actions comme ça que nous allons continuer à faire au niveau de Niahar. Nous allons continuer vraiment à chercher les moyens pour pouvoir développer notre localité. Et je pense que euh, c'est la raison pour laquelle vraiment je sollicite votre appui. Je sollicite également votre accompagnement pour que nous puissions réussir cette noble mission. Et je pense que Anona Andona pour ma vision des choses parce que ah, euh, a ɗatale ñowole dara jariran il faut lengo ku i mbiya ten refu ka avancer an na in mbamir ne donc il faut fat i mbexey ndam no ke andoona yee tena atka in ke andoona yee ten waagu tax Niakhar a ref quelque chose au niveau du Sénégal donc kaga dal ten reɗ'u ke bug'uma lay peut être euh, la tout simplement le matériel kene matériel fait composé una ten refu imprimante maak nene refna mene imprimante Canon HP donc 25 24 25 euh, se également de 241 cahiers donc, de 50 pages, se constitué également de, 50, euh, de 250 euh, bic verts, de 30 jeux de société, se constitué également de 216 tailles crayons, se constitué de 96 crayons, se constitué de 240 gommes, se constitué de 400 cahiers de 100 pages, se constitué de 200 cahiers de 100 pages, de 250, 200 euh, cahiers de 200 pages, 400 cahiers de 50 pages, 100 bics bleus, 100 bics rouges, 100 bics noirs, 20 équerres pour mettre, 20 compas pour mettre, 20 règles pour mettre et 10 rames pour pouvoir accompagner un peu donc l'utilisation donc de, de l'imprimante. Donc, qui est le vous à Vraiment, parce que euh, Permettez-moi un tout petit peu de m'arrêter dessus pour rendre un vibrant hommage au sous-préfet Chambas. qui a été un bon collaborateur, un bon conseiller pour nous, mais un conseiller loyal. C'est un homme véridique, c'est un homme généreux, c'est un homme engagé. J'ai saisi cette tribune pour lui rendre cet hommage parce que je sais combien nous de Fatigue, nous de Niaha, même s'il a eu une promotion, mais quelque part nous allons continuer à le regretter, nous allons continuer à me pleurer. C'est ça aussi que nous souhaitons. Chacun de nous souhaite que, lors de son passage quelque part, qu'on le regrette après son départ. Et Chambas l'a réussi de très belle manière. Et c'est pourquoi, au nom de toute la communauté éducative de Fatigue, au nom de mon supérieur hiérarchique, l'inspecteur d'académie, Cheikh Badiok, je voudrais ici lui rendre un grand hommage devant les populations de Niahar. Dieu sait que c'est un ami. Je fais partie des gens qui ont beaucoup de respect pour lui, malgré sa jeunesse. S'il est nommé à ce poste, c'est parce qu'il représente quelque chose pour le ministère. Et les ministres se sont succédés à, à la tête de ce ministère. Mais lui, comme on a l'habitude de le dire, il est inamovible. C'est une chance pour Niakhar. C'est une chance pour Niakhar. Mettons la politique à côté. Je ne peux pas venir ici et ne pas parler du maire de Niakhar qui nous accueille dans son territoire. Qui est également un ami. Moi, Dieu a fait que j'ai beaucoup d'amis. Qui est un ami, un collaborateur. Je peux l'appeler tout de suite, il laisse tout, il me prend au téléphone. un homme à qui également je rends, monsieur le préfet, un vibrant hommage pour son ambition pour Niagara. J'ai eu la chance de discuter à entreprise avec lui. Mais je sais qu'est-ce qu'il pense pour, pour sa commune. Et c'est important même s'il n'est pas à je j'aurais souhaité voir son représentant ici. Parce que ce que nous faisons, nous aidons une de ces écoles. L'éducation est une compétence, fait partie des compétences transférées aux collectivités territoriales. Quand il s'agit de parler d'administration, il s'agit, on a l'habitude de le dire, que l'administration est neutre quand il s'agit de parler d'administration, d'école, personne ne peut sentir ma couleur. Et c'est pourquoi ici, on aurait bien voulu aimer, tous les, aimer voir tous les fils de Niakar ici présents. Parce que nous tous, quel que soit le chemin que vous prenez, vous convergez tous vers le développement de votre collectivité. Vous allez vous rencontrer quelque part. Et c'est ça. Hier, j'ai fait des avant j'ai fait des témoignages sur un autre d'une fils de Niakhar. Et pourtant, il n'était pas là-bas. Personne de Niakhar n'était présent sur place. Et j'ai fait un excellent témoignage sur lui. C'est shérif qui est à, à la série. Hein? C'est Serine, je dis shérif. Et j'ai fait un excellent témoignage sur lui avant-hier. Parce que je l'ai connu ici. J'ai vu les actes qu'il a posés. Parce que la CENU est venue, comme le président de la République veut faire de 2023 une année sociale, la série est venue à Fatigue pour me dire nous voulons enrôler l'ensemble des élèves de l'école élémentaire Mustafa Baïdiba euh, et de l'école de Salam. Plus 500 dons de J'en ai profité pour leur dire il y a un fils de Noaha qui vous a dénoncé sur ce projet-là. Parce qu'il a marché à Nyaka. Lorsqu'ils sont arrivés à Dakar, ils l'ont dit au directeur de la CENI qui m'a appelé. C'est ce que nous demandons. Au-delà de Nyaka, en venant ici le dinaa à 2019 Fatih dama ne woon man li tax ñu yóbbu ma Fatick séeréer yi mu suñu mais bi ma ñëwee fii laa xam ne lu fi am ci cadre amul fen exemple bu may jël mooy la région de Ziguinchor lu ko dalee ci gouverneur Géeji Diouf ba ci sous-préfet yi ba ci inspecteur d' ba ci IEF yi ba ci commandant de brigade ay séeréer la amul dëkk booy dem fii du ñu la doxal ne la lii kër benn cadre bu bu Fatick fii amul moo tax it li Amady Baro def dama bëgg muy sangay muy ndox muy jame muy fen xamatuna wala dëkk yi fi metti yep dëkk bo jël tour je n'oublie pas tour parce que tur boobu neex nañu torop donc fi dëkk bo jël am na fa cadre na cadre yooyu def li kii def nañu def li kii def lenn de xam naa ko ci école bi maa ngi gërëm bu baax a baax Muntaga directeur d'école Muntaga maa ngi ciy boole ci gërëm bi ñu mu àndal ci liggéey bi ci liggéey bi mooy l'équipe pédagogique de ADD Muntaga bala ñuy juboo dinaa ko wax Demande-moi ba mon directeur bi ku deuguer mais parce que bëggul échec dafa bëgg di réussir et il prend beaucoup d'initiatives beaucoup d'initiatives motax tax Mountaga merci et pourtant son oncle c'est un ami intime merci pour tout ce que vous êtes en train de faire vous avez dit, vous rêvez de marquer votre passage à ABD, je crois que c'est déjà fait. Même si vous quittez demain, c'est déjà fait. Encore une fois, merci. C'est pourquoi c'est là où je voudrais terminer, monsieur le préfet. J'ai demandé à tous les directeurs d'école, j'ai demandé à tous les principaux, il l'a dit, pour c'est pourquoi j'avais demandé à tous les chefs d'établissement à tous les directeurs d'école de se mettre en projet vous ne pouvez pas gérer une école vous ne pouvez pas gérer un établissement sans vous mettre en projet il faut avoir un projet d'établissement un projet d'école, financé ou pas, mais ayez comme ambition d'aller à la recherche des moyens pour dérouler votre projet d'école. Tant que vous ne le faites pas, tant que vous ne le faites pas, mais, vous, vous, vous surfez comme ça dans l'inconnu. Vous surfez dans l'inconnu. Et c'est grave pour un directeur, c'est grave pour un chef d'établissement. Lorsque je suis arrivé à la tête de l'IF, j'arrive, mais tous les jours, un inspecteur me dit je veux aller ici. Demain, l'autre me dit je veux aller ici. Etc. etc. Alors que moi, j'ai des moyens très limités. J'ai deux véhicules. J'ai dit mais arrêtez. Ça, ça ne peut pas continuer. Ah oui, c'est un honneur pour nous, en tant que représentants de l'État, d'être à vos côtés pour cette cérémonie de remise de dons de matériel composé entre autres, de 1241 cahiers, d'une imprimante Canon, de 30 jeux de société, de 550 stylos, de 216 tailles crayons, de 244 crayons, de 248 gommes, de 10 rames, 14, de 20 équerres, mètres, de 20 compas, mètres, et de 20 règles, mètres. Et je dirais donc, j'en passe, parce que la liste est exhaustive. Donc, euh, nous vous remercions chers donateurs de ces Et ça me permet donc euh, de dire que la bonté en parole amène la confiance, la bonté en pensée amène la profondeur, et la bonté en donnant amène l'amour. Et vous, aujourd'hui, vous incarnez donc ces trois, à savoir la confiance, la profondeur de l'esprit et l'amour donc euh, de vos frères et Et là, nous vous disons merci, chers donateurs. Comme l'a dit tantôt mon cher l'inspecteur de l'éducation et de la formation, c'est le monde éducatif que vous êtes en train d'aider, mais je dirais c'est l'État. Et l'État donc a ses démembrements. Il a parlé tantôt donc de collectivité territoriale à savoir donc la mairie. Vous êtes en train donc d'accompagner la mairie sur ce qu'elle devrait donc faire. Et quand je dis donc la mairie, c'est l'État. Car l'État donc ne peut pas tout faire. Et là, on vous dit donc un grand merci. Et vraiment, nous sommes très contents de cet acte-là. Parce que il y a un adage qui dit, si vous voulez aider une personne, il faut planter un arbre. Mais si vous voulez aider une communauté, il faut leur donner une bonne éducation. Et ce geste vraiment entre dans ce cadre. Parce que les enseignants ne peuvent pas enseigner sans avoir donc des outils. Et là, à travers ce que l'inspecteur a dit et que j'ai compris, car je suis venu en tant que représentant de l'État je suis un parent d'élève, mais je suis aussi un enseignant de formation. Parce que je suis donc un professeur d'histoire et de géographie. Et là donc vraiment c'est un honneur pour ce donateur-là et pour ces élèves qui sont là. Parce que vous l'avez tantôt dit, Amadi Baroudouf je dirais Pape Amadi Baroudouf c'est un exemple pour la société, mais aussi c'est un exemple pour ces apprenants, ces jeunes apprenants. Parce que hier, il fut élève dans cet établissement. Aujourd'hui, il y a des élèves dans cet établissement-là. Et demain, ces élèves qui sont là seront donc les cadres de demain. Et là, vous êtes en train donc de leur inculquer de très bonnes valeurs. Ce n'est pas ce geste-là qui est important, mais c'est la manière. La manière donc de donner. Parce que vous êtes venus aujourd'hui là où donc les établissements n'ont pas suffisamment de moyens. Et je pense que l'année prochaine même, les moyens vont diminuer encore. Parce que le président de la République veut aider donc la population mais en aidant la population, ce que chaque parent d'élève avait l'habitude de donner, donc l'État a diminué de facto donc cette somme-là. Et là, les établissements auront donc encore des difficultés. Et pour ces donateurs-là, les chefs d'établissement seront très contents vraiment de vous recevoir dans leurs établissements. L'année dernière, je me rappelle, il y avait donc une association euh, d'anciens élèves qui étaient là pour donner aussi des cahiers et des matériels pour les élèves. Et aujourd'hui, c'est Pape Amadi Baroudouf. Et je dis votre homonyme, là où, où il est aujourd'hui, il est très fier de vous. C'est ça, parce que vous êtes en train de marcher sur ses pas. Et aussi, monsieur le chef de village, permettez-moi donc de vous dire, du 21 décembre jusqu'au 5 janvier, à chaque fois, il y a donc des cambriolages, ici donc à Niakhar. Et même, il y a donc des personnes qui sont venues dans cet établissement-là aussi pour faire des actes de sabotage. Et je pense que cette personne de sa trempe est un exemple pour ceux qui viennent dans cet établissement-là et pour faire donc des actes de contre-nature, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que tout natif de Niaha devrait vraiment aider les directeurs d'école, surtout cet établissement qui est aujourd'hui donc la vitrine de Niaha. Parce que je peux dire que je n'ai pas duré à Niaha, mais je commence donc à connaître l'histoire de Niakhar. Cet établissement, les résultats qu'il a aujourd'hui, il ne l'avait pas d'antan. Donc c'est grâce au directeur qui est un homme très engagé, qui est un homme dévoué pour la cause vraiment de l'éducation. Et là, on vous dit, directeur, merci beaucoup et si nous vous remercions, nous avons remercié aussi tous les enseignants qui sont là dans cet établissement-là. Parce qu'ils sont là à l'image de vous. Parce qu'un directeur qui ne vient pas à l'heure, un directeur qui ne respecte pas son travail, ne peut pas dire à ses adjoints respectez ceci ou cela. C'est parce que vous, vous avez respecté ce que vous devrez faire c'est la raison pour laquelle, si vous dites à vos adjoints de faire quoi que ce soit, ils vont le faire. Et récemment même, vous avez fait cet acte-là. Il y avait une enseignante, une de vos adjointes, donc euh, l'inspecteur l'a affectée à fatigue. Et là, je vous dis donc euh, merci beaucoup pour cet acte-là. Et je dis aussi la population de Niahar, il faut encourager ces genres de personnes qui sont là pour le développement de Niahar. Comme vous l'avez dit, vous avez créé un mouvement. Vous ne voulez pas faire de la politique. Mais attendez, monsieur l'inspecteur, même le prophète a fait de la politique. La politique, c'est quoi C'est l'art de gérer la cité. Et heureusement, vous l'avez bien défini dans votre discours. Vous avez dit, vous n'êtes pas là pour faire une politique politicienne, mais vous êtes là pour faire une politique de développement. Donc, merci, monsieur Amadi Baro d'avoir pensé très tôt à cela. Donc, si on ne fait pas de la politique, la politique nous fait. C'est pourquoi il faut tout faire pour que votre mouvement soit entendu partout. Je ne dis pas dans l'arrondissement, mais je dis au niveau national, voire même international. Pourquoi pas Pour avoir des bailleurs, pour qu'ils essayent donc de vous, euh, vous aider dans votre politique de développement. Donc, euh, merci pour les enseignants, merci pour tous les élèves qui sont là, peut-être monsieur le directeur, la prochaine fois, il faut inviter les parents d'élèves. Surtout, ils doivent venir assister, accompagner leurs enfants. Parce que ces enfants-là seront donc euh, les cadres de demain. Et là, vraiment, les parents d'aujourd'hui, ils ont donc du travail à faire. Il ne faut pas se décourager, mais il faut continuer inculquer nos enfants de bonne bonheur. Il ne faut pas dire que je ne peux pas. Parce que c'est votre enfant. L'enfant ne connaît absolument rien. Il y a même les philosophes qui ont, euh, euh, qui ont tendance à dire cela. C'est la société qui façonne l'homme. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît si vous prenez un nouveau-né, vous le mettez donc dans un enclos où il n'y a que des moutons. À la longue, il va prendre le cri donc des moutons. Parce que l'enfant copie. C'est pourquoi donc les enseignants, en tout cas, votre sacerdoce, c'est quoi C'est d'inculquer le savoir. Mais votre première mission, c'est quoi C'est l'éducation. C'est pourquoi, à travers vos euh, euh, enseignements, il y a ce qu'on appelle l'instruction civique.